الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد La position de l'islam par rapport à la question de la mendicité est très claire. Vous l'avez cité. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait La main haute est meilleure que la main basse. C'est-à-dire la main qui donne est meilleure en mérite que la main euh, qui reçoit. Il dit aussi quelque part c'est-à-dire le croyant fort est meilleur en mérite que le croyant faible. Donc euh, l'islam n'encourage pas cette euh, mendicité. Vous-même, à l'introduction, mhm. vous avez cité trois catégories de personnes qui sont autorisées à mendier s'il le faut, si nécessaire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est organisé socialement de sorte qu'il y a ce qu'on appelle mal le trésor public. C'est une banque, ça peut être d'argent, de vivres, d'animaux, de tout ce que vous voulez, euh, d'habillement, de tout ce que vous voulez, qui est là pour venir en aide à ce genre, à cette catégorie de personnes. C'est pourquoi, dans la philosophie de l'islam, il n'est même pas prévu que les gens mendient. Mais ah, on s'est rendu compte qu'il y a des cas de force majeure qui font que même le trésor public n'est pas toujours garni. Il y a des périodes de guerre où vraiment il n'y a rien au trésor public. Et ces gens-là, donc, comment ils vont faire Donc, l'islam a assoupli en disant, bon, voilà les situations dans lesquelles on peut mendier. Vous avez cité les trois catégories de personnes. Mais ces trois personnes n'ont pas carte blanche pour mendier tout le temps